le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou mercredi 19 octobre 2016, le forum de Studio Kalangou. C'est tout de suite sur le Studio Kalangou, un espace d'échange, de débat, de sujets qui intéressent les populations il est 18h passé des 15 minutes. Merci de rester en notre compagnie. Très ravi de vous retrouver pour cet autre numéro du forum. Diallo Maria Makenda, à ce micro. 45 minutes, c'est le temps d'antenne que nous avons à passer ensemble. Bonsoir à tous. Le viol, c'est de cela qu'il sera question ce soir. Pourquoi la recrudescence de ce phénomène Quand peut-on affirmer qu'il y a eu viol et quelles sont les conséquences du viol sur les victimes Autant de questions auxquelles vous aurez des réponses dans quelques minutes. Selon Alzoumana Traoré Ibrahim, le secrétaire exécutif de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences, le viol est un phénomène récurrent aujourd'hui avec 115 cas répertoriés par l'ONG à travers les régions. Il affirme que sur ces 115 cas, 60% concernent les viols de mineurs. Prenons le cas de Zender où un nombre important de cas ont été enregistrés. À ce sujet, notre correspondant à Zender, Ali Keita, s'est entretenu avec le juge des mineurs après le tribunal de grande instance de Zender, Karimoun Salifou, fait le point de la situation de cas de viol sur mineurs enregistrés durant la période 2015-2016. Euh, entre 2015 et 2016, euh, euh, le nombre de viols sur mineurs s'élève à 21 cas. C'est ce que nous avons recensé pour les trois cabinets, puisqu'il y a deux cabinets d'instruction et un cabinet de juge de mineurs. Donc pour ceux qui est du cabinet du, juge d'instruction, mhm. ils connaissent des affaires dans lesquelles les majeurs ont commis des ou supposé commettre des infractions, soit entre eux les majeurs ou entre eux et les mineurs. Mhm. Mais pour ce qui, pour qui concerne mhm. le cas du cabinet du juge de mineur, il s'intéresse ou il est saisi des affaires dans lesquels un mineur est supposé ou présumé auteur. Donc, quelle que soit la victime, qu'elle soit mineure ou pas. Voilà ce que j'aimerais à ce niveau vous expliquer. Mhm. C'est au niveau de la région des Zander Ça, c'est au niveau. Oh, bon, au niveau du tribunal de grande instance des Anders, puisque nous n'avons pas pour le moment la situation de ce qui se passe dans les tribunaux d'instance, donc euh, euh, euh, plus précisément dans les départements, puisque eux aussi ils ont des, tribunaux d'instance. Alors comparativement aux années antérieures, on peut dire qu'il y a une euh, régression des cas de viol ici dans la région de Zander, puisque vous avez évoqué entre 2015 et 2016 qu'il y a seulement 21 cas de viol. Bon, on ne dit pas seulement 21 cas, puisque 21 aussi c'est très élevé compte tenu euh, du fait que le mineur doit en toutes circonstances être protégé, et euh, surtout que les victimes, surtout lorsqu'il est victime. Donc il mérite la protection, ça la loi l'a prévu. Notre loi nationale et les textes internationaux. Donc quelle que soit la situation du mineur, c'est lui qui doit être protégé, qu'il soit victime ou qu'il soit auteur, la loi l'a prévu. Donc, oui, hein, la loi a prévu en cas de viol Ce mineur Donc, euh, la loi a bel et bien prévu. Vous voulez parler de sanctions Oui, sanctions. Euh, pour ce qui est des sanctions, donc, euh, je, vous, à ce niveau dire qu'il y a deux cas de viol sur mineur. Donc, euh, à ce niveau, je précise qu'un mineur est un être humain âgé de moins de 18 ans selon la loi pénale. Donc, à ce niveau, comme je l'ai dit, il y a deux catégories. la loi a prévu des peines plus fortes lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans. Si le viol donc est commis sur un enfant ou un mineur âgé de moins de 13 ans, mais pour ceux qui est de plus de 13 ans, là, la loi n'a pas, c'est environ la même sanction que si les faits sont commis sur un majeur. Par exemple, si je prends le viol qui a été commis sur un enfant au-dessus, au-dessous du moins de l'âge de 13 ans, le coupable il sera puni d'un emprisonnement de 15 à 30 ans. Et lorsque ces faits sont commis sur un mineur âgé de 13 ans à plus, donc la loi a prévu une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Elle en est de même pour ce qui est des majeurs. Donc c'est la même peine lorsqu'il s'agit des majeurs, la peine de 10 à 20 ans. La sensibilisation, on en fait toujours, on, essaye euh, d'expliquer aux gens la gravité des faits, ainsi que euh, l'importance de la protection d'un enfant mineur. De quoi qu'il en soit, dès qu'on dit qu'un enfant est mineur, la loi a prévu une protection des mesures de protection doivent être prises à son égard, eu égard à son immaturité vous venez d'entendre le juge des mineurs près le tribunal de grande instance de Zinder, Karimoun Salifou. Le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de Maradi, M. Boubacar Mahamadou Nyandou, donne une définition juridique du viol et explique ce que risque un violeur sur le plan pénal. Il a accordé un entretien avec notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman. Le viol la loi le définit comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. C'est ce que la loi définit comme viol. Cela appelle quelques observations. La première observation, c'est que la loi dit que c'est un acte de pénétration sexuelle. Alors, et de quelque nature que ce soit. Ça peut être quand on prend le doigt, on met par exemple donc dans le sexe. Quand on prend par exemple un bic, un stylo, on met dans le sexe. Donc tout ça, ce sont des actes de pénétration donc euh, sexuelle. Et la loi dit sur la personne d'autrui. Elle n'a pas dit que le viol alors sera commis uniquement sur la femme. Ça c'était donc l'ancienne définition dans le temps, donc c'était sur la personne de la femme. Mais en 2003, donc il y avait une réforme qui dit que le viol, ça peut être commis par une femme, par exemple, sur un homme. Voilà, ou bien par un homme sur un autre homme. Voilà donc un peu les, différentes observations que ça euh, suscite. Et maintenant, la loi dit que c'est par violence. Donc il faut qu'on violente qu'on amène quelqu'un à consommer par exemple un acte de pénétration sexuelle par la force par exemple physique, par lutte, je sais pas, par euh, contrainte, donc euh, peut-être menacer quelqu'un de divulguer certaines informations pour avoir par exemple donc une faveur sexuelle par euh, menace donc ou bien par surprise. Le fait par exemple donc de trouver je sais pas, on prend un exemple, un homme qui vient et qui trouve un autre homme qui est là, qui est couché et qui le surprend et lui met, par exemple, donc euh, son sexe dans son dans son anus, par exemple ou bien donc euh, le fait que euh, on vient, on abuse par exemple donc d'une folle. Là, donc, vraiment c'est une surprise parce que le consentement n'est pas donc d'une folle par exemple. Quelle est la situation aujourd'hui du viol ici à Maradi, Monsieur le juge Bon, donc, euh, moi, je dirais que c'est une situation un peu globale euh, au plan national. Seulement, donc, euh, au fait, quand il y a une plainte pour viol, la plupart du temps, donc, quand ça quitte les unités d'enquête, la police, la gendarmerie, et quand ça arrive, des fois, il y a le parquet, le service du procureur, il vérifie est-ce que réellement, peut-être, donc, il viole selon eux. Et maintenant, ils peuvent envoyer ça donc, automatiquement parce que la loi dit que le viol étant un crime, donc euh, la loi dit obligatoirement que on ne peut pas juger directement l'affaire, on est obligé d'amener ça devant un juge d'instruction qui va euh, un peu approfondir donc les recherches pour réellement savoir s'il y a eu viol. Donc la plupart du temps, donc ça aboutit effectivement à la qualification du viol. Dans certaines situations aussi, donc, ce n'est pas du tout un viol. Peut-être ça peut euh, arriver à un non-lieu, ça peut arriver donc à un détournement des mineurs, ça peut arriver donc à des actes impudiques, à outrage euh, public à la pudeur, tout cela. Donc, euh, on ne peut pas dire globalement que tout ce qui vient, par exemple, donc des unités d'enquête sont des viols. Mais quand même, donc, si on prend au plan national, avec la prolifération donc de procédures judiciaires, les justiciables deviennent de plus en plus procédurier. Donc c'est euh, une situation un peu globale au Niger où euh, on constate la recrudescence donc euh, des phénomènes du viol. Donc je peux dire que c'est un phénomène de plus en plus grandissant. Ce n'est pas ici seulement à Maradi, c'est d'une manière générale donc au Niger. Qui sont les plus concernés par, par le viol Est-ce que ce sont des jeunes qu'on viole Est-ce que ce sont des adultes Qui sont les plus concernés Bon, la plupart du temps, donc, on constate que c'est des viols commis sur la personne des enfants très jeunes, des jeunes de moins de 13 ans. Euh, comme c'est un phénomène un peu, j'allais dire, <laughs> la victime, c'est ça, un peu indexé, mise à l'écart, euh, la plupart du temps, les cas de viols sont commis sur la personne des adultes, euh, les gens ne le, ne dénoncent pas. Hein. Voilà, ne le dénoncent pas. Donc, généralement, c'est les, jeunes filles de bas âge qui mhm. sont les victimes. Ah oui, donc les jeunes filles de bas âge et même des fois des jeunes garçons, hein. des jeunes garçons. Donc, euh, il y a des jeunes garçons donc, qui sont victimes du cas de viol commis par des hommes sur des petits enfants garçons, ou bien donc euh, des viols qui sont commis par euh, des garçons sur des petites filles. Voilà, c'est pourquoi il y a beaucoup plus donc du cas de viol de jeunes euh, filles de moins de 13 ans ou bien de jeunes garçons de moins de 13 ans. Vous avez l'habitude ici de recevoir euh, euh, des, hommes violés Parce que dans notre, société, généralement, c'est plutôt la femme. Est-ce que vous avez l'habitude de recevoir des hommes aussi qui, qui déclarent avoir été violés Oui, oui. Donc il y a eu des cas quand même qui n'ont pas abouti à la qualification de viol, quoi. Mais la plupart du temps, donc, euh, on a constaté que ce n'est pas des cas de viol, c'est plutôt des cas de d'outrage à la pudeur, donc euh, d'outrage public, donc euh, aux bonnes mœurs, tout ça, là, quoi. Donc, mais quand même, c'est pas exclu. Il y a eu un cas qui a été dénoncé comme tentative de viol commis sur la personne d'un garçon, mais je disais que et ça n'a pas abouti à la qualification de viol. On a requalifié ces faits-là, plutôt donc euh, en outrage public euh, à la pudeur. Selon vous, pourquoi ce phénomène prend de l'ampleur Est-ce que c'est parce que les gens n'ont plus peur de la loi Il y a plusieurs facteurs donc, euh, qui contribuent à la prolifération de ce phénomène. De plus en plus, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la dépravation des mœurs donc avait combiné avec euh, le phénomène de la, euh, des outils de nouvelles technologies, le manque de plus en plus d'éducation des parents à l'égard donc de leurs enfants. Donc cela est dit certainement par euh, le fait que les gens sont beaucoup plus préoccupés donc à chercher de quoi manger. Je ne dis pas que ça exclut ou bien ça ça explique donc, euh, moi je dirais que peut-être même c'est un relâchement, c'est une fuite de responsabilité des parents. Donc il y a cela, il y a également le fait que de plus en plus, donc les gens cherchent euh, à contourner la loi. Ils ont peur de la loi en réalité parce que si on les amène, dès qu'on parle par exemple du cas de viol, ils cherchent euh, par tous les moyens à expliquer que ce n'est pas un cas de viol, parce que, donc, euh, pour eux, c'est uniquement lorsqu'on a frappé, on a contraint par la force physique. Donc, euh, la victime a accepté un cas de pénétration sexuelle. Alors que, bon, euh, comme je le disais tantôt, il y a les cas, par exemple, de menaces, il y a les cas de surprise, par exemple, donc, comme je l'expliquais tantôt. Voilà, donc les gens, en fait, de plus en plus, ils ont cette tactique, donc, à effectivement contourner la loi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas peur, hein. ils ont très peur de la loi. Ils ont très peur parce que la loi est sévère là-dessus. Donc, ils ont peur de la loi, mais ils cherchent toujours à contourner, quoi. Ça, c'est un phénomène, donc, euh, d'ordre général, hein. euh, Quelles sont les peines encourues par euh, les personnes qui finalement sont jugées ou bien qu'on condamne pour viol alors, comme je le disais, c'est puni sévèrement. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle les cas de viol simple. Le cas de viol simple, c'est certainement un cas de viol commis par euh, une personne euh, sur la personne d'autrui âgée de plus de 13 ans, par exemple, ou bien donc euh, commis par une seule personne, ou bien commis lorsque, par exemple, la victime n'a pas une certaine qualité ou bien lorsque l'auteur n'a pas une certaine qualité. Parce que des fois, la loi aggrave donc la, peine si l'auteur du, viol a une certaine qualité. Par exemple, donc un enseignant qui commet un viol sur euh, son élève, par exemple, donc euh, un, je sais pas, donc un directeur qui commet un viol sur sa secrétaire, etc., etc., des cas où l'auteur a un certain ascendant sur la victime. Donc la loi aggrave ça. La loi aggrave ça quand on a été aidé par quelqu'un d'autre. Donc ce qu'ils appellent donc, euh, ou bien que, quand on commet un viol euh, sur la personne d'une seule personne par plusieurs personnes. Donc euh, également la loi aggrave ça quand c'est un a été commis sur un mineur de moins de 13 ans. Que dit la loi donc euh, l'article 284 dit que quiconque aura commis le viol sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. C'est pour vous dire que c'est vraiment c'est très grave. Alors, donc euh, la loi automatiquement elle dit, là, toujours l'article 284, elle dit si ce viol a été commis sur la personne d'un enfant en dessous, donc de l'âge de 13 ans, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 à 30 ans. C'est une fourchette. Donc euh, il y a également les cas où euh, c'est un fonctionnaire du c'est un fonctionnaire du ministère du culte par exemple donc un, un imam hmm, ou bien un, prêtre donc qui commet un viol sur la personne euh, de son adepte ou bien le cas de euh, lorsque plusieurs personnes commettent un viol sur une seule personne ou bien lorsqu'ils s'entraident alors là, dans tous ces cas, la loi dit que la peine sera d'un emprisonnement à vie. Ça dit donc que la personne sera condamnée à vie. Mais donc de plus en plus, on constate une certaine <laughs> banalisation donc de la peine. C'est tout ça, c'est la loi aussi qui fait des ouvertures en réalité, parce que la loi dit que bon, donc en fonction des circonstances, euh, on peut euh, descendre. Donc euh, là, ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Euh, on donne un exemple, peut-être que euh, la victime, donc si la victime peut-être euh, elle s'est exhibée, peut-être, donc ou bien si <coughs> si euh, l'auteur a exprimé par exemple donc des regrets, des remords, alors là on peut descendre. C'est ce qui explique que la plupart du temps, donc ces viols-là sont condamnés à 5 ans les gens, <laughs> il ne faut pas que les gens perçoivent cela comme étant des peines illégales. Quoi. Donc arrêter, c'est la loi qui fait cette ouverture lorsque les circonstances donc, du crime euh, paraissent Donc bon, la loi a permis au, au juge donc, de descendre en dessous de la peine qui a été édictée, comme je le disais tantôt. Propos recueillis par Mohamed Maman, notre correspondant à Maradi. Courte pause à présent, on se retrouve dans quelques instants. Les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Tilaberi sur la radio Tebouassi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Sur la radio Mouria Talata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. un autre regard maintenant avec l'analyse euh, du socio-anthropologue euh, Sani Yahya Janjouna. Nous l'écoutons sur le thème viol et société. Violer, c'est en fait ne pas respecter des règles. C'est donc euh, le sens sociologique qu'on doit attribuer en fait au viol. Donc le viol, c'est de ne pas se conformer à la réglementation en vigueur. Cela signifie que le viol peut revêtir plusieurs formes parce qu'il va concerner tous les aspects de la vie de l'homme. Il s'applique dans le sens de la sexualité, on parlera de viol alors, euh, est-ce que là aussi on peut parler de différentes formes de viol sexuel Il y a le viol avec agressivité qui peut laisser des séquelles d'un point de vue physique. Il y a le viol qui peut laisser des séquelles psychologiques en termes de harcèlement qui va en fait dominer une certaine forme de moralité de la personne. Pas parce que la personne a voulu, mais on a abusé d'elle. Il n'y a pas donc eu consentement. Le manque de consentement renvoie en fait au viol. Et ça, c'est un viol psychologique entendu dans le sens de la sexualité sans que cela ne laisse des séquelles physiques, mais peut avoir des séquelles psychologiques, peut avoir aussi des séquelles physiques parce que ça a été fait encore avec agressivité. Donc, ça peut concerner un mineur qu'on a influencé, ça peut concerner une famille dans la famille en cas de l'inceste, ça peut être une épouse qu'on viole parce que tout simplement on l'a forcé. Et l'absence de consentement, c'est ça en fait qui renvoie au crime ici de viol. Alors, ici au Niger, euh, selon vous, quels sont peut-être les conditions ou je, dirais les situations qui, qui poussent au viol, qui poussent les hommes au viol Il y a d'abord des conditions psychologiques. Vous savez, vous voyez tout le monde habillé, bien habillé pour certains. Mais en vérité, le cerveau ou la mentalité n'est pas la même. L'état de santé de certaines personnes, alors potentiellement, a priori, on ne peut pas reconnaître un violeur il y a des individus qui déjà vivent leur monstruosité, leur mal en eux-mêmes c'est un déclic. Lorsque ça arrive, effectivement, elles vont vouloir satisfaire ces pulsions. Il y a en nous, en tant qu'êtres naturels, des aspects culturels qui viennent effectivement nous éduquer, nous socialiser, nous rendre la vie agréable avec les autres. Et pour ce faire, il va falloir donc agir sur notre libido, sur notre sexualité, sur ce que la nature nous commande. Donc, on ne s'accouple pas avec n'importe qui. Mais certains individus peuvent ne pas tenir le coup. Ils vont vouloir effectivement affronter certaines personnes et c'est la raison pour laquelle le jeune garçon ou cet homme, parce que dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui violent les femmes. Et il y a certes la réciprocité, mais les cas sont beaucoup plus rares où les femmes ou une femme a violé un homme. Dans la plupart des cas, ce sont les hommes parce que, au vu de leur force, au vu de leur capacité, ils vont vouloir transgresser les règles qui leur permettent d'avoir pour vouloir prendre ce que la société leur a refusé. Ils sont donc en conflit avec eux-mêmes, mais en même temps, le déficit de socialisation, d'éducation qu'ils ont reçu leur permet maintenant d'aller affronter l'autre en termes de mesures. Le viol peut aussi être un élément de sanction dans une société. Par exemple, ce qu'on remarque dans certains, euh, dans certains pays où c'est devenu euh, euh, monnaie courante à travers la, la, guerre. On utilise le viol en fait pour détruire la mentalité ou pour faire plus du mal à une communauté, mais en même temps pour faire montre d'un esprit totalement isogène. Donc le viol aussi, ça peut revêtir d'autres aspects. Euh, il peut être à l'origine, son origine peut revêtir en fait, si vous voulez, une forme mystique. Certains, certains individus sont enclins à violer parce que tout simplement il y a eu des recommandations allant dans le sens de la mystique. On leur dit il faut violer telle ou telle personne en transgressant la règle de la société, ils vont avoir telle ou telle chose. Ou encore on leur dit ils vous faut vous accoupler avec une fille qui est vierge. Donc la personne va forcer à tout prix. Il faudrait bien qu'il ait euh, cette virginité parce que tout simplement ça va euh, répondre à certaines attentes tout à fait mystiques. La responsabilité des parents. La responsabilité parentale s'entendre dans le sens d'une certaine forme de gestion par procuration qui a été attribuée à une famille de la fille en question. Vous savez, tout tourne autour, en vérité, du sexe. Le sexe est quelque chose de sacré, mais c'est surtout le sexe de la femme qui est plus sacré que celui de l'homme. Pourquoi Parce que nous naissons du sexe de la femme. C'est la raison pour laquelle ça ne gêne personne en ville. Vous m'expliquez Qu'on voit un malade mental nu, un homme en train de circuler ses, parties génitales dehors. Mais ça va gêner plus et les hommes et les femmes lorsque c'est une femme qui circule en ville en tant que malade mental alors que ses parties génitales sont au dehors. C'est parce parce que la société a plus du respect, a plus du regard sur le sexe de la femme, parce que nous tous nous naissons du sexe de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui au Niger, par exemple, on peut dire que certaines situations dans certaines régions, euh, euh, je parle de l'aspect économique euh, ou l'aspect financier, poussent des parents à se désengager de, de leurs responsabilités. Quand par exemple une jeune fille sort de la maison, qu'elle doit parcourir des kilomètres pour faire du commerce et se retrouver dans un environnement où il n'y a uniquement que des hommes ou dans une maison où elle doit rentrer ou trouver des hommes. Vous l'avez dit, quand une femme se retrouve seule avec un homme, en tout cas hors du regard, il y a quand même euh, ce sentiment de, de, de tentations, de danger, de menaces. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que cette situation économique euh, peut participer ou participe euh, véritablement à exposer ces filles euh, au viol Tout à fait. Dans la région de Maradi, c'est un fait réel. Le rôle ou la place qu'on attribue à la petite fille dans la famille expose dangereusement la petite fille à cette tentation, à être victime de viol. Vous savez, la tradition en maladie, c'est le grand problème auquel les mères ou les familles sont confrontées, et particulièrement les mères, c'est la, la chambre de la fille. C'est-à-dire tout cet arsenal matériel qui doit accompagner la fille une fois mariée. Cette responsabilité est plus acceptée et ressentie et payée par la femme, la mère. Parce que lorsque la fille a failli, on parle de la mère. Lorsqu'on ne lui a rien apporté, c'est la femme, la mère, qui va entendre plus de sarcasme que le mari. Parce que les railleries ou ces comparaisons sont, les légion plus dans le monde des femmes, excusez-moi de le dire euh, terre à terre, sans me moquer mères, de, nos mères. Mais le, commérage, dans ce sens, font plus légion chez les mères, chez les femmes, plus en vérité que euh, chez les hommes. De telle sorte que la mère, elle se sent redevable vis à -vis de la société au point où elle se sent de l'obligation de faire tout son possible pour bien éduquer sa fille, mais en même temps lui livrer le matériel nécessaire pour qu'elle ait une belle chambre. Parce que ça se visite et on en parle dans les quartiers, dans toute la ville. Raison pour laquelle cela se prépare dès que la commence à parler et à marcher. Elle va commencer déjà à préparer tout ce matériel. La journée, elle vend. Le soir, elle fait carré elle se poserait, si vous voulez, avec un, deux, plusieurs garçons chacun amène ce qu'il a à apporter, au point où, à l'âge du mariage, ce n'est pas étonnant encore à Maradi de trouver chez la jeune fille, on a apporté trois fois la dot. Un prétendant à apporter dans la famille parce que c'est lui que le père a choisi. Un autre a amené chez la tante parce que la mère, c'est lui qu'elle soutient. Un autre a apporté chez un oncle parce que c'est lui que la tante soutient ou la grande sœur, ainsi de suite. Dans ce cas, ça veut dire que ces filles sont plus exposées et là, elles ne seront pas victimes de, viol physique, mais peut-être, euh, comme vous l'avez dit, euh, un viol où en réalité, intérieurement, elles ne consentent pas, mais elles sont obligées de, de, l'accepter. Donc, euh, conséquences euh, psychologiques. C'est en vérité une forte pression psychologique sur la fille et sur sa mère, au point où et la mère et la fille ne savent en vérité à quel sens se C'est comme le conte à rebours qui a commencé. Et cela expose dangereusement la fille à être victime parce qu'elle risque effectivement de céder aux sollicitations des hommes. Parce que certains hommes ne font pas leurs gestes au hasard, ils ne font pas leurs cadeaux parce que c'est un de cœur. Ils le font dans le sens du gagnant-gagnant. Si elle n'a pas, elle a pu résister à X, elle peut ne pas résister à Y. Au regard de sa capacité de prédation dans le sens de la sexualité. Le socio-anthropologue euh, Sani Yahya jouna Mais dans quel cas peut-on réellement affirmer qu'il y a eu viol Nous avons interrogé le docteur Ilia Ouché. Il est gynécologue obstétricien. Écoutons-le. nous reçoit une réquisition à experts, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, une autorité peut adresser une demande donc à un gynécologue, un expert, suite à une plainte des parents, pour maintenant, avec un rapport détaillé, pour que maintenant les gynécologues se prononcent par rapport au viol. Maintenant, nous, quand on nous adresse à la patiente, nous allons d'abord essayer par la phase de ce qu'on appelle l'interrogatoire. Si elle est inconsciente, on passe à l'étape de l'examen clinique. Maintenant, si elle est consciente, elle va vous répondre comment se sont passées les choses. Vous allez regarder maintenant sur le plan corporel. Donc, vous regardez au niveau du cou, au niveau des seins, s'il n'y a pas de griffures ou s'il n'y a pas d'autres empreintes qui montrent qu'il y a de la force qui a été utilisée ou à la ligotée. Pourquoi au niveau du cou, au niveau des seins Au niveau du cou, parce que on peut l'attacher. Il peut maintenant, suite à un combat acharné, il peut la blesser en l'état de la terrasser. Tout ça, il faut chercher des impacts qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas eu consentement de la partenaire. Donc, il l'a terrassée, elle l'a blessée. Donc, tout toutes ces traces-là qu'on cherche, c'est pour orienter vers la force que les partenaires ont utilisée. Donc, dès que vous voyez une trace de blessure ou d'empreinte, c'est déjà un indice. Maintenant, si vous regardez et qu'il n'y a aucune trace de blessure, il n'y a rien, maintenant vous arrivez maintenant à l'examen gynécologique proprement dit. Là, vous essayez avec tactique une mineure bon, qui ne connaît pas l'homme en tant que sur le plan sexuel, une vierge par exemple. Donc, il faut que l'examen soit conduit devant un tuteur ou devant la maman ou devant tous les parents, avec la douceur, avec une sorte de, de l'art c'est-à-dire à respecter les normes, vous allez essayer d'installer confortablement donc la victime. Là aussi, vous allez essayer de regarder au niveau de ses cuisses s'il n'y a pas de traces de Donc là, c'est un examen préliminaire. Vous essayez de regarder au niveau de l'anus s'il n'y a pas donc une blessure au niveau de l'anus, parce que ça peut être une blessure anale ou c'est la sodomie. Vous regardez au niveau de la fourchette vulvaire s'il n'y a pas de traces de spermatozoïdes, si elle n'a pas fait la toilette. Vous regardez maintenant encore s'il n'y a pas des écorchures au niveau des grandes lèvres ou au niveau des petites lèvres. Et maintenant, si elle est vierge, vous garder encore un autre signe attirant votre attention. Est-ce qu'il n'y a pas de saignement à l'extérieur venant d'une blessure guinéniale ou bien venant d'un traumatisme au niveau de tous les organes que vous Après cette phase-là, si elle est vierge, vous allez essayer, parce qu'il y a des spéculums, on appelle des spéculums pour vierge, ou bien vous faites un toucher anal avec les doigts pour soulever maintenant ce qu'on appelle les périnés et voir si l'hymen est intact ou bien l'hymen a été défloré. Maintenant, l'un de l'autre, on peut avoir l'hymen intact, mais vous allez voir des écorchures suite à une tentative de pénétration. Rien que ça, c'est un indice. Ou bien, maintenant, vous faites tout, vous ne voyez aucune trace de spermatozoïdes, aucune écorchure, aucune blessure, pas de saignement. Maintenant, vous, vous demandez un examen au laboratoire avec ce qu'on appelle un écouvillon qui permet de faire un prélèvement au niveau vaginal on envoie ça au laboratoire. Si les laboratoires maintenant dit qu'il n'a constaté aucune trace de stress, vous, avec maintenant les examens que vous avez fait sur le plan corporel, sur le, plan gynécologique, avec ce que les laboratoire a dit, maintenant vous répondez à la gendarmerie ou à la police ou à monsieur le juge. Maintenant, en fonction de ce que j'ai dit encore haut, vous avez eu des blessures au niveau du corps, vous êtes revenu au niveau de la fourchette vulvaire, vous avez eu des empreintes avec des écorchures, tentatives de pénétration à la force, et maintenant, là, vous confirmez, ça oriente encore vers la piste qu'il y a eu viol sans consentement effectivement de la partie Un autre cas, parce qu'on peut violer une femme qui connaît déjà le rapport sexuel, c'est-à-dire une femme qui est déjà rompue par rapport à la sexualité. Donc cela veut dire que quand vous cherchez ce qu'on appelle une défloration de l'hymen, vous ne trouverez pas ça. Vous êtes obligé maintenant de vous baser essentiellement sur elle, ce qu'elle va raconter, et sur les examens au niveau du vagin, en fonction maintenant de l'examen que vous allez demander au niveau du laboratoire. Si à lui qui a des traces d'espoir toujours dans les Le fonction maintenant de ce que le laboratoire dit, effectivement, vous allez dire qu'il y Maintenant, on peut voir une femme qui est vierge et qui a été vraiment complètement euh, Là, vous allez regarder, parce que l'hymen, c'est vraiment euh, une couche musculaire, mais qui est circulaire. Mais vous allez voir souvent, c'est certaines femmes, suite à une blessure, vous allez décrire la blessure. Et à quelle heure, parce que c'est comme les tours d'une montre. Si c'est à 6 heures, vous décrivez qu'il y a une blessure immunale à 6 heures, à 7 heures, à 1000, le juge le connaît. Et vous décrivez que suite maintenant à ce constat, à cette blessure, de l'humain. Donc, effectivement, il y a eu viol avec donc, blessure. Au cas où l'humain est intact, il faut regarder au niveau des fourchettes vulvaires parce qu'on peut avoir des tentatives de pénétration. Il n'a pas pu pénétrer, mais il y a eu quelques tentatives qui ont donné des écorchures et des impacts au niveau de la fourchette vulvaire. Et là aussi, c'est une preuve. Et la trace, comme on dit, il peut avoir éjaculé, mais sans pour autant pénétrer. Donc, et là aussi, les traces de spermatozoïdes, même que vous allez regarder au niveau des cuisses, au niveau de la ville, ça vous oriente. Alors, docteur, par exemple, pour une femme qui se présente devant vous, qui n'a pas de blessure corporelle, qui prétend avoir été violée mhm. au niveau du vagin. Et elle vous dit dans sa déposition que elle n'avait pas le choix. C'est-à-dire que si elle résistait, elle allait être violentée. Donc elle a préféré ne pas opposer de résistance. Est-ce que cette mhm. dame-là, si après elle vient se plaindre de viol, donc euh, au niveau de son vagin, on peut, avec ces examens que vous venez de dire, constater le viol. Psychologiquement, il y a un blocage dans sa tête. Il n'était pas consentant. C'est ce que j'ai dit, parce que la plupart, hein, souvent, il y a des, ce qu'on appelle les viols collectifs. Et effectivement, euh, vous allez voir, pour éviter d'être tué, effectivement, la femme Mm, même n'étant pas vierge, elle va accepter les rapports sexuels. Maintenant, elle, elle fait sa déposition au niveau de la police. Mais tout ce qu'on recommande aux femmes, dans ce cas de figure-là, de ne pas faire la toilette après l'acte, c'est en fonction de l'interrogatoire. Ou bien, si la force a été utilisée, vous allez remarquer les traces de blessures. Mais dans ce cas de figure, une femme déjà qui, n'a, a perdu l'humain pendant longtemps, mais je vous dis que le seul examen là aussi, c'est au cas où il n'y avait pas eu de toilette récente. Mais le seul examen, je vous dis que c'est de prélever le contenu du vagin et envoyer au laboratoire est-ce qu'il y a des conséquences euh, euh, pour cette femme qui vient d'être violée La conséquence la plus immédiate, c'est la transmission des IST, donc les infections sexuellement transmissibles, à savoir la gonococcie, l'hépatite et la syphilis. Et l'autre grande maladie, surtout, surtout les Sudas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ces gens qui violent, en fait, c'est des gangs. Donc, vraiment, c'est la plupart, c'est des toxicomanes. Et c'est ce qui fait que le risque, l'autre risque encore, c'est de contracter une grossesse qui n'est pas désirée. Donc, vous voyez la conséquence. D'abord, sur le plan donc, euh, social, c'est que ça fait. Après un jaune, tu vas maintenant avoir une grossesse et tu ne connais même pas l'auteur. Parce que, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous, quand on nous adresse ces genres de demoiselles, donc la première des choses, il faut chercher toutes ces différentes maladies, la sexuellement transmissibles, y compris les sida. Et après, maintenant, vous êtes obligé de faire une prévention. Donc, automatiquement, on met une contraception d'urgence ou quand même où cette femme-là risquerait d'être enceinte, donc ça va être neutralisé. Et on met automatiquement aussi cette demoiselle-là ou cette victime-là sous une antibiothérapie, donc euh, pour prévenir effectivement toutes les autres maladies qu'on a parlé. Ça veut dire que cette dame ne doit pas rester, c'est-à-dire après le viol, elle doit immédiatement se rendre à l'hôpital si elle a l'opportunité ou l'occasion. C'est le conseil que vous, en tant que journaliste, après viol, de ne jamais rester à la maison parce qu'on peut avoir une grossesse où on ne connaît pas l'auteur, on peut avoir toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et personne, avec le temps, si c'est avec le temps que vous allez faire la déclaration, personne ne va vous croire. Et même si dans ce cas-là, souvent les gens ignorent les droits, c'est d'aller d'abord dans un centre de santé, d'abord avoir les premiers soins et les examens là que je venais d'évoquer pour maintenant euh, suivre la patiente pas à pas jusqu'à pendant trois mois ou si on voit que tous les examens s'avèrent négatifs, donc elle n'a pas contracté donc ces maladies-là du siècle. Euh, c'était le docteur Outier, il est gynécologue obstétricien. Euh, fidèles euh, auditeurs, c'est ici que s'achève cette émission. Merci d'être resté à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez Mokhtar Amado demain pour un autre numéro du forum de studio Kalango. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ipokane, 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Tilabéri sur la radio Tebouassi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à ah, Filengue. Sur la radio Mouria Talaka. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Afani. 100 FM. Studio Kalangu. أشهد أن لا أشهد أن لا Combien dans sens des crimes et des péchés. Quel tout humain parce que Dieu a toujours existé C'est Dieu qui donne la vie, mais les hommes ont aussi la vie. Quand je pense à Nazareth, combien de mon père de la vie tu te rappelles la présence de Dieu que s'il t'arriverait malheur et quand tu es heureux tu ne penses pas que c'est lui qui a fait ton bonheur lorsque tu t'aperçois en face d'un danger Créateur terre et l'amour et la haine, la guerre et la paix, Pensons à lui à chaque instant de la vie, et pas seulement quand on a besoin de lui. 啥个样来？跟今天没有？嘿，嘿，嘿，你没事吗？我是谁？我是，我是谁？我是谁？咋？哎，我该你我得那个是么？谁？我是，哎，我可以卡？ hana yi muka sai kuka yara kaman kuma shekara shida ke aiki ku ne shara ku ne wankin tasoshi tun da sahi har ƙarshen dare kuna aiki lokacin cin tuwo iyayi babu ci ko da wani lokaci in aka tashi bisa kan kyawo aka tsane ku ba ba saboda kuna da muni aka tsane ku ba komi kuka yi sai a ce ku da hannu